teg ay jakartaak lu ne pour naxe ko doomu aadama yi duñ am fukki nit ñun nag yàlla dogal na joxunu kenn dërëm génne woon ay millions waaye yàlla dogal na Ramone mii ma àndal moom rek bu woote woon mu feesal stade Tivaouane ndax ku ne xam na Ramone taxawaayam ci Tivaouane ndax Ramone moo waa Tivaouane ci tabaski yi mook waa Tiwaawan ci korite yi ramon mook waa Tiwaawan tamxarit ramon mook waa Tiwaawan 31 décembre ramon mook waa mouvement associatif 100 pour cent yi les jeunes de Tiwaawan final bu ñu organisé ren mouvement bu nu créé la bu bees bu nekk Tiwaawan tudd mouvement pour le développement de Tiwaawan ñu ni bi mu juddoo amul ñaari weer waaye képp kuy politique Tivaouane xam nga ni Tivaouane am na doole ju bees ju fi judd képp kuy politique Tivaouane boo sañoon am li nu am képp kuy politique Tivaouane da xam ne tey le vent est de changer de direction te direction boobu pour ci yaakaar lu dul waa MDT léegi nag ñu ni Tivaouane jot na jafe-jafe yi nu jànkonteel ñu xam ne ne Tivaouane daanaka wàllum jumtukaay amu fa waaye tamit daal ëllëgu ndaw yi lëndëm na lool. usine bu mel ni bu ñuy wax ICS ak MDL surtout ICS yàq nañu sunu gàncax indil nañu ay feebar te jariñul nu dara kon jot na ñun waa Tivaouane ñu taxaw jàkkaarloo ak ñoom pour li nu am wala li nu moom ñu jox nu ko tey sunu rakk ya fay liggéey ak sunuy jarbaat ñi ngi leen di embauché tunu ay journalier lan di def te léegi bañ na ko ba indien yi la ñuy indi ñu jël seen place te loolu tegunu ko fenn jaaduwul na Tiwaan gépp jub xale yi jub ñu jàkkaarloog ñoom ñu xeex ak pour loolu MDL aussi nanu gestu doomu Tiwaawan waaye loolu nag pour mu am comme ni nga ko yàgg waxee dafa jot am un lycée technique parce que tey sunu rakk yi Thiès la ñuy jànge ak Mboro ak Dakar

Mani, au moment où nous parlons si nous avons tey mondialisation tali ak globalisation nous sommes dans un monde de compétition où ce sont les meilleurs qui émergent et qui gagnent il n'est pas normal qu'on veuille nous vraiment entretenir dans une situation de précarité où nous serons toujours appelés à jouer les seconds rôles je pense que loolu dafa war a te loolu danañ ci taxaw avoir ko tac. pour mu am ay changement beneen bi ci des MDT nag taxaw na tàllal na loxo doomu Tiwaawan yëpp ñu bari tamit seen xel mi ngi jiixi jaaxa waaye ñoom élection présidentielle gi jëm fu nu jëm ak ku ni àndal foofu tamit ñu xam ni ñun kenn nenunu kenn nekkul suñu ginnaaw lu fi am rek ñoo ko ñàkk ñoo ko def ñoo ko taxawal kon ñun nous sommes des esprits libres ñun amul kenn ku nu mën a jaarale fu nu néew ñun nag képp ku nu soxla dinañ la recevoir dinañ la déglu nga tegal nu sa programme am na benn concept bu ñuy wax penc mi bu nu créé dana ko teg ku ñëw ñu déglu la suñu paree ñu sommes des démocrates am na loo xam ni

le mouvement pour le développement de Tian vient d'être né et qu'actuellement, beaucoup se posent des questions relativement à l'élection présidentielle et sur le candidat éventuel que nous soutiendrons. Nous voudrions dire à tout le monde, à toutes et à tous, que nous sommes un mouvement libre, que tout ce que vous voyez comme investissement, c'est nous qui l'avons fait. Nous sommes des esprits libres et au moment venu, tout candidat qui veut nous rencontrer, nous allons lui donner l'occasion lors de forums qui seront appelés Pentimi. On va les recevoir, on va discuter avec eux et au finish, le mouvement va se retirer de manière démocratique et on choisira le candidat avec lequel nous allons cheminer pour les élections présidentielles. La délocalisation, on l'a dit, d'une faculté de l'université de Thiès de Thuan à Thuan. Les aussi ci wolof wax dit, ko ni université Nous nekk Thiès ñu faculté ñu sommes nous ko ba nga sunu chaque jour nous sommes dem ñu nous fii la création de cette structure politique s'explique par plusieurs raisons d'abord en tant que fils de Tivaouane nous avons le droit d'avoir une ambition ensuite le socle de notre association s'articule sur les piliers fondamentaux du développement, à savoir les secteurs primaires et secondaires. Enfin, la promotion du social et des activités culturelles dans notre chère commune. Tu as Tuanois, notre commune Tuavan souffre d'un déficit infrastructurel, tant sur les plans industriels qu'éducatifs. En effet, même si le constat est vrai, il n'en demeure pas moins que le département de Tuawan est le premier dans l'exploitation des mines dans notre Sénégal. L'implantation des usines comme MDL et les ICS en est la parfaite illustration. Chaque jour, nous sommes pollués par ces produits toxiques qui ont fini de détruire notre nappe phréatique ce qui fait que certaines variétés de plantes et de fruits commencent à disparaître. Même dans le recrutement, des Indiens sont privilégiés au détriment de nos valeureux et dignes concitoyens. Donc c'est le lieu pour nous de lancer un appel aux jeunes pour faire face à cette injustice et à cette oppression qui ne disent pas son nom. Aujourd'hui, Tuawan doit avoir un quota dans le recrutement au niveau de ses industries extractives. Sur le plan éducatif, Tuawan réclame un lycée technique une délocalisation d'une faculté de l'université de Thiès à Tuawan et l'érection d'un centre de formation dans les métiers des mines. Il est inadmissible qu'à une pareille époque, les jeunes de Tuawan sont obligés de se déplacer à l'intérieur du pays pour continuer leurs études dans ces domaines le mouvement pour le développement de Tiawan MDT se veut un mouvement d'avant-garde il se veut un mouvement d'action et d'engagement le MDT appelle à une unité de toutes et de tous pour la prise en charge des problématiques telles que l'emploi et l'employabilité des jeunes leur formation et l'accompagnement des femmes aussi dans le domaine des financements, mais aussi dans le domaine de leur développement pour qu'elles puissent être autonomes